Bonsoir et bienvenue sur Tous à la Fada, votre émission consacrée au quotidien de la jeunesse nigérienne. Une émission spéciale sur une région spéciale. Difa, la belle Difa. Ngala, située au sud-est du Niger, près de la frontière du Nigeria, à environ 1360 km à l'est de Niamey. Difa, certes, meurtri par les années d'insécurité, mais Difa qui tient malgré tout et qui essaie de faire vivre toute une jeunesse versée dans le tissu économique de la région. Pour cette émission, nous parlons des opportunités de business localement pour les jeunes de la région de Difa. Les opportunités d'affaires pour une jeunesse existent dans la région, notamment dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, mais aussi de la pêche de la Komadougou Yobé. Mais comme partout, dans les secteurs, les difficultés dans le business existent pour les jeunes Difalais. Comment les aider à mieux saisir les opportunités d'affaires La région de Difa, confrontée depuis 2015 à l'insécurité née des incursions de Boko Haram, a vu des activités économiques freinées. En outre, le gouvernement avait interdit pendant pratiquement 5 années l'exercice des principales activités, notamment la commercialisation du poisson et l'importation de l'urée pourtant très utile dans la culture du poivre, au motif que l'urée était utilisée par les terroristes pour fabriquer des explosifs. C'est seulement en juillet 2019 que l'interdiction a été levée, au grand bonheur de la population. Nous sommes très réjouis de la levée de l'interdiction sur la production du poivre. Mais on fait face à certains problèmes, notamment celui de l'huile. C'est qu'a déclaré Ibrahim Chetima, un membre de la coopérative Calcaria de Difa au studio Kalangu. Ces activités ont repris, mais plusieurs jeunes ne savent toujours pas à quel sens se vouer. C'est le cas de certains conducteurs de Kabuka, réparateurs de motos, restaurateurs et bien d'autres. Nous développerons le sujet à travers la thématique suivante. Business des jeunes de DIFA. Contraintes et solutions pour améliorer le climat. Ça sera le thème sur lequel nous allons nous pencher tout à l'heure avec les invités de l'émission. Comme d'hab, nous recevons vos commentaires au 80 06 48 54 et nous nous faisons un plaisir de les diffuser sur l'émission au 80 06 54. Pour écouter l'émission en intégralité envoyez jeune, toujours au 80 06 46 54. Tout ça à la fada, c'est 35 minutes de discussion avec des intermèdes musicaux. Tout ça à la fada, c'est la chronique présentée par Mr. Tout ça la fada, c'est aussi l'artiste s'exprime. Décollage imminent. Hey. Nous sommes dans la ville de Difa et précisément à la radio Enfani, notre quartier général, entendez par là Afnouri. Business des gens de Difa. Contrainte solutions pour améliorer le climat. Voilà le thème sur lequel nous allons échanger avec nos invités. Ils vont se présenter. Ah, Issa Noegirbefa. Oui, cousin Aiden, donc euh, Aimayo de Kati Issa je suis revendeur ici, né au quartier Afunorira. -hmm. Nous revendeur business où nous akan ngite bumboda. Oh ouais ouais. Revendeur de nous. mais jama ga ibaide ay kati le nom qui circule papa ni ici quoi. Papa. Mm. To m'a papa na abokina mm. na zo wajen ka mm-hmm. kana yi ka ga mini ka eh menene sunanka ba na mai kaji ba na mai kaji mm. kenan misa liga commerce kaji na kace eh je suis aussi avec un natif de la région de Difa il répond au nom de Tarek Tari, ça va Oui, ça va. Tu as un œil sur la jeunesse de DIFA Oui, bien évidemment. Sur les activités génératrices de revenus Naturellement. Tu maîtrises aussi la question, tu sais ce qui bloque. Tout à fait. On va parler de ça et chercher des solutions. Il n'y a pas de souci. Abouchina, salam alaikum. Kuna iku gama sunan naku? Eh, Moussa sunana. Moussa, ça va bien Ça va très bien. Ni eh, Moussa Eh, ni ina un taxi moto, na pewana wana ina ina yin shi, eh, kuma ina sakawa kama wani yayi ok eh. kenan misali kana taxi moto kuma kana bada kama mini eh wani kama mini kwa to shi eh. kenan mun gane in kun shirya za mu fara kun shirya di eh. sector ya kai ya kamata ta a samu wani sabo ba ah, kamin a dole ma yanzu ma madan ta ce akwai wani harkoki dole an dan huta an ta za mu kawo wannan zancen ko zancen madan ma za mu kawo ta bisa a cikin a bar shi a gehe to a bar shi a gehe to <laughs> zancen fada yawa fada mun zo fada ba mu sa shayi ba he he alo isa quelles sont les opportunités de business qui s'offrent aujourd'hui Business au fondement avec ce contexte-là de sécurité. Bon, nous avons business. Hmm. En cas de hinga femme d'adékati, danga goy kambor gate, nima hinga yega du haifuara quoi. Kan nagangwa ara, nima vivre dega hinga chikwa. Donc, igaba, hmm. mais afoyongo numu kan insécurité au ka inika ni di sɔn waa din kaabu kaabu moto hinne ni gite me sɔn jama duga ye mm, tricycle moto kan gwanda a daidaita ba a daidaita sau ke hinzu su koyo mm. eh, kan ka ayo eh, personnellement mm. je fais le petit commerce mm. et Dieu merci maintenant les deux dernières années si je peux le dire 2020 -hmm. 2021

dino burfunu kan ga nera kin gado haifo a senegati mais ni di son irga to hal 22h mm. irgo nera 22h mo en mu furo windora tu vas fermer donc il faut loba aussi mm. o oh, wadin de no vraiment changement tu kayna fo quoi mm, mais ir tabi fa aran tabi ir tabi mais dieu merci maintenant zade karan tabi ir morgu chechif ir mi ga dogonan da aran se abocina bana mai kashi mm. kazi de yadda isa gai kai kaza ka sai dawa Eh. kana yi ka ga mini wani matsala da matsala ne ka samu tu 2015 har zuwa yau ko ko komi bai canje ba maka eh ina ya faɗi kamar lokacin da na nafe da na mota mm. inda muna samu da mu masu harkan abinci wannan mm. ya kamata da a kara mana lokaci mm. muna yi kamar lokaci in yayi karfe tara ba mota ba kasuwa ya saya muna nema a kara mana lokaci mm. saboda mu masu harkan abinci wannan daga muna yi muna yi yayi karfe tara babu kasuwa mu sai dai gobe mm. shi ne muke bukata a kara mana lokaci kwanciyar hankali ya zo a kara mana lokaci mm. danga ara daran gudu imtonton aran sai lokaci parce que yana zafin 2 to aran goye ga kai yadin da n'o. mai kaji a ci ta abocina kai mai a daidaita avant que wannan insécurité ya zo a nan ga kasanga menene kuce nan gai a ta kuce nan gai ka kawo kuce nan gai kuna yi komai comparison lokacin da akwai kwanciyar hankali da wanga lokaci a lokacin da wannan tashin hankalin bai zo ba ba daidaita nike ba dimki nike a lokacin ok da wannan insecurity in ya zo mm. wannan ya naga abun sana fafa mm. sai na shanshan commerce mm. sai na koma ina yin a daidaita Mm. kuma ina badawa mm. su suna mini kama min insecurity eh, ya sa ka eh, canza aiki eh, tunda ina yin sana ba fasa na mashfa mm. sai na koma yin adidita ina yin shi ana kama mini ni ma ina yi amma ni yanzu abin da yake bata min rai mini ne ce bata maka rai gashi ne yanzu mu yan wannan wanda muke aiki na nafi ba a bamu lokaci kuma iko sun takura man d'a ma vie mine ne takura da iko muku dan votre vie mine ne saka mu nous sommes les jeunes de difa ka gani ko mm. abin da ya saka yanzu ga mu nan mm. eh mm. muna da moto muna bibir yanzu sai na bi wannan hanya ina da wani assurance kenan eh me aka ce mana ce mana aka yi assurance permis eh sai na bi wannan abu wai police ta ya tare ni kana da papier sai ina da papier na eh. je mu papier yanzu nan wurin 18 December me aka kai tun da kake ka taba garin da za a ɗaya taxi ma dan ta vie kuma yayi daɗi kuma a ce 18 December zai a ina ka taba ganin ta afsa da aikin kuna moto duk ta kama mu aka kai aka aka kai su komisariya hmm. j'ai un papier complet hein. ah dan eh, kuma wannan business din kuna kuma ake sallah kamata ku profite eh profite inda muke da shi on va gérer hmm. eh kama shi aka aka kai mu can kuma duk mai moto sai da aka mai 4000 francs hmm. eh? pourquoi a wadi mini menene matsala are eh? je rappelle que tu es un activiste oui tout à fait tu es natif de cette région. Oui. Tu as écouté avec intérêt les propos de ces jeunes qui sont confrontés à un certain nombre de difficultés. On voudrait avoir ta vision sur cette émission. Alors, il de faut, manière générale. Oui, il faut rappeler que, c'est-à-dire quand toutes les activités génératrices de revenus ont été stoppées, mhm. tous les commerçants se sont confrontés à une perte de repère commercial. OK. Donc il y avait presque rien à faire, donc il fallait qu'il y ait quelque chose. Les gens étaient obligés de se concentrer nest sur le commerce alimentaire, parce qu'il faut manger. Mhm. Malgré l'insécurité, il faut manger pour manger, vivre. Bien sûr, Donc voilà, le commerce alimentaire est permis. Donc ça a chamboulé les choses. Ça a chamboulé les choses et mhm. tout le monde, mhm. n'est-ce pas, et s'est concentré sur euh, cet aspect-là. Donc maintenant, c'est chemin faisant, le marché était devenu saturé. Tout le monde était sur. Il y avait la, Tout le monde était de l'alimentaire. l'alimentaire. Donc faut la concurrence est devenue forte. Les gens ne se retrouvaient pas. Certes, ils, gagnaient, mais pas de façon conséquente. Les gens ne s'en sortaient pas. Voilà. C'est un peu Et euh, Chemin faisant, ils ont permis la circulation des tricycles là. Mhm, mhm. Donc maintenant, on a eu un autre débouché où les gens peuvent encore aller pour euh, avoir euh, quelque chose mhm. pour qu'ils puissent s'occuper. Et c'est aussi la même situation qu'est le commerce alimentaire. Et tout le monde se retrouve encore en même temps sur ADD. Ok. Et à partir aussi de cet instant, on peut dire que c'est un peu saturé, c'est ça C'est un peu saturé, c'est très même saturé. Hmm. Maintenant, je te dis que euh, le business de l'État est plus saturé que n'importe quel secteur d'activité commerciale. Mhm. Malgré cela, ils arrivent à s'en sortir. Ils arrivent à s'en sortir, mais il y a le temps, n'est-ce pas, qui est très court. Certes, ils euh, font leurs affaires toute la journée, mais à partir de 21h, il faut encore garer. Donc, c'est qu'il hmm. faut reconnaître que le gain n'est pas conséquent. Le gain n'est hmm. pas conséquent. Si on peut faire quelque chose, c'est de revoir hmm. le temps de circulation de ces agents là Merci, Tari L'artiste s'exprime est une rubrique de l'émission Tous à la Fada. Tous à la Fada est consacré à la jeunesse nigérienne. On suit l'artiste de la semaine et tout de suite, la suite. L'artiste Barakina, Allah, était hier sur l'émission Franco Aoussa, présentée par la Miss Rim. Mesdames et messieurs, Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Nous allons donc parler un peu des difficultés euh, que l'artiste a rencontrées dans sa carrière pour chercher des solutions et ensuite parler des projets. C'est toi qui pas Récapitulons les cinq années de difficultés que l'artiste a rencontrées parce qu'on sait que ce n'est pas du tout chose facile de faire de la musique ici au Niger. pas du tout chose facile. Oui. La première difficulté, je pense que ça a commencé de la fac. Comment il fallait déjà faire la transition de la fac à la musique. Donc c'était ça d'abord le premier problème parce que qui dit fac déjà dit étudiant, donc manque sûrement de moyens. Donc c'est de là, je me rappelle que ma dernière bourse de master que j'ai touchée, c'est ça, j'ai pris. Je suis de la nappe, je suis allé directement au studio Photoshop. Ah, il m'a fait un bon prix pour le clip Et tout faisait exactement le prix de ma bourse. C'était dans ta bouche. 150 000. Ah ouais Bouche le masque. Donc, j'ai voulu venir les 130 000. Et quand je suis arrivé, j'ai gagné les 20 000, vais fait les Pour te sécuriser. Pour te sécuriser. Quand je suis venu, oh, Léo m'a dit Je t'ai fait beaucoup de réductions. <laughs> Si tu es pas tout l'argent, ça sert pas. Ça pas. J'ai dit Ah je suis sorti, j'ai fait mal j'ai j'ai 10 000. Ok. Je lui ai dit, bon, maintenant c'est à 5 000. Eh, j'ai gardé les 10 000. J'ai gardé les 10 000 j'avais vraiment rien à part ça. Après, on a pris le clip avec Mili, ma pris sur sa photo, on est rentré à la maison. Ok. J'ai cherché des mégas, entre temps, j'ai dit que je veux mettre en ligne. J'essaye de mettre en ligne, YouTube tout fait. On me dit que. C'est aussi des difficultés, ça. C'est la plus grosse difficulté parce que j'ai dit, j'ai pas d'argent. Maintenant, là où je vais amener les clips, même les gens vont voir, on dit, ça monte pas. Tu allais lâcher carrément là. Non, j'ai dit à est-ce que ça, c'est pas Dieu qui nous montre de c'est la musique Ok. Après, on a mis la vidéo sur euh, Facebook, comme ça ne pouvait pas aller sur YouTube et tout. Mhm. Donc, j'ai patienté, je suis rentré. Après, le, deuxième son que avait enregistré avec lui, c'était le son de Allah Donc, j'ai lancé le son et le son a commencé à prendre. Après, il y a eu le concert du processus verbal. Ah. J'étais venu, il a pris des difficilement, tout ça. Et là, par c'est là j'ai rencontré le gars qui m'a soutenu pour la première année. C'est lui qui a commencé à alléger la difficulté. C'est quel gars qui t'a soutenu C'est Ibrahim Seni, euh, que je ne cesse de dire. Puis il n'y a pas lui, bien sûr, un contre, donc, euh, ben, qui a permis à la Donc c'est ça. Deuxième problème, c'était quoi C'était qu'il fallait faire la tournée nationale de l'album okay. après sa réalisation. Mhm. Mais Comment ça va se passer cette tournée s'il n'y a pas l'argent Les sponsors ne croyaient pas totalement. Ok, ok. C'était notre sortie, personne ne croyait pour de vrai. Et nous, on était sûrs qu'on allait faire quelque chose. Là, maintenant, les difficultés continuent jusqu'à ce que maintenant on a fini la tournée. C'est bon, maintenant on a les contrats. Nous-mêmes, on arrive à vivre. C'est même pas trop maintenant le problème des sous. Ah Et maintenant, c'était un problème un peu lié. Parce que j'étais incompris. Quand j'ai fait Allah et ça, ah les gens ils m'ont pris pour un révolutionnaire. Et là, ça fait encore une, une grande difficulté. Parce que dans la tête de tous les politiciens, dans la tête de tous les autorités, c'est que le petit, il est impoli, c'est un révolutionnaire. Et toi, tu es déjà à ne pas t'expliquer. Et moi, je n'aime même pas m'expliquer. Les gens vont finir par comprendre. Comprendre, bien sûr. Donc, ils venaient même pas me voir m'esquivaient sur les contrats. Tu vois, on m'appelle pas quand il y a le président. C'était ces difficultés qui étaient venues, venues, venues, venues aussi. Et, j'avais des problèmes des salles. Je sentais des juste dans les trucs. Mais grâce à Dieu maintenant, je pense qu'ils ont compris que ce n'est pas un ennemi de, un ennemi du pouvoir ou de quelque chose. C'est juste un artiste qui dit un peu ce qui se dit en bas. voilà, je suis d'accord avec toi. Non, mais la quatrième difficulté, c'était comment sortir, comment aller à l'international, comment, comment, comment, comment, comment aller. D'un tes et demain ah, Avec ta stratégie. Bien sûr, parce que c'est toujours pas passé. nous sommes pratiquement à la fin de cette rubrique, mais il faut parler un peu de ce que toi tu as gagné dans la musique. Euh, la musique, euh, j'ai d'abord gagné la confiance en soi. Donc après, ça m'a permis aussi de me réaliser en tant que jeune. Je ne compte plus sur la famille, sur des trucs, donc je, je comme je veux. Mhm. Voilà, je, je, peux bien frimer hein, comme ah, Vas-y, frime. Mais voilà, je, je peux. Quand, quand, tu n'avais que les voilà, voilà. tu vois, voilà, voilà, je me suis pêché au, moins deux trois caisses OK. à travers l'Asie. J'ai installé un studio qui sera maintenant bientôt suivi. Musikina. Musikina qui sera bientôt suivi maintenant dans notre secteur de, de clips vidéo. Mais tu tout Bien sûr. Je, je, suis en train de mettre en place des business et euh, commerciaux que je veux pas Parlons des projets Le projet, il y a déjà des villes qui essaient de nous inviter. On va sûrement attaquer Côte d'Ivoire et Lomé. On va prendre deux grandes salles là-bas. Je ne vais pas dire grand, mais je pense qu'après ça, on nous attend d'ailleurs, d'ailleurs quelque part. Et on peut faire Nous, on a toujours confiance en toi, on sait que tu vas faire la merveille. Quand tu parles comme ça, tu me donnes la chair nous. sommes à la fin de cette journée. On sait que tu as perdu récemment une page de 160 000 amours. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu as un message un peu spécial à l'endroit de tes fans qui étaient sur cette page euh, C'est vrai qu'on a eu un petit souci avec euh, la page Facebook Barakina officielle, donc officielle. Donc tous mes abonnés qui sont sur cette page, tous mes amis qui sont là-bas, j'aimerais que vous cherchiez Barakina le guide. Mais il y a le Barakina le guide avec 7000 abonnés. Donc revenez sur ça, il faut que ça explose. Donc, sur Barakina le guide et abonnez-vous, abonnez-vous, revenez. On va faire les 160 000 très il n'y a pas de souci. Oui, à eh, eh, bah, l'instant, testez l'artiste s'exprime sur l'émission Tous à Fada, une émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Issa, je rappelle que nous parlons de business, des jeunes de DIFA, contraintes et solutions pour améliorer le climat. Ah, Issa, Emena Sanifo. Ego eh, Gamanis. Namade Matkane Chaleina. Oh. chida Hey Maya. Son Odenemena. Mm-hmm fisabidillah de gamara oh. il faut il faut non né au jeune kanga activité de génératrice était sanga AGR masala no masala fo dumano igoga hingatu donc ne be sanno man sanne kenunu sanni berino orinda sanne berino donc <coughs> non vous parlez d'AGR ceci là moi tu me connais très bien je te connais ça je suis né ici mais mon père est germain aigo di hankango te quoi Quarara. Des activités AGR, ça, à des fois, moi, je ne vois pas. Mm. La jeunesse a perdu, ils ont perdu leur travail. Igoyo, hmm. a koma pourquoi ne go kinise Kabo, kabu din kamboro don da kai go te mo te bondi son asino ye tricycle tricycle maintenant, nos borfono kan Agade, oh. amano Nisi, okay. amane semen nora ne Et puis la police, elle est là. Mm. Elle dérange aussi. Faites vos papiers ça mm. mm. ne va pas 18 décembre il ne fêtait alhamdulillah à da mais je te dis en tant que nigérien mm. et dit fallait moi je ne suis pas du tout fier. Parce que tu ne peux pas assister voir ce qui se passe. Eh. Si tu peux me l'expliquer, le 18 décembre, la confesse, c'est pour qui c'est pour la population. Justement. On a dit bien difa ingila. To daran ki difa ingila iri himano dit akanioko. ma To ma dit ma. Me ne ba sa ku hin koli hizik. Eh tricyclo da Ni futere. In tricyclo ga Tu as peur? Hmm. Ni s'inga te quoi parce que partout c'est des militaires. ma matkan oh. ma. tout le monde était joyeux. Aram me circuler ga kani. Aram me dit parce que nous même les motos là, kango bisa je sais pas il faut que tu ma moto bambata idin oh, le motar jama gaba gade parce que ne ici hmm, eh, no mm, aran da faran sin ga koino din gadi aran da faran ko rara mo zera ni ke gane ni sai eh boro an kango bi na bonga bafa. wala ne sitti wufo lana ka gisa o oh, me to ya dinu kanan di sanuma ah mm ya dinu ni ne anu mi ai maki ci ga ki mu o oh, aran ka aran dia za il fe 19 20 aran ga zurno ko ndora ga kani ainin hada irku wallahi ayo revander ne me girbihin kawo kaite rien fe to kaji ko abocin tricycle da si ga marshe sani ba fa go marshe su ma ko marsan ba su saida et puis je je vous dis abisenge boro milkango kwarora hmm. ini kayen de toi qui es à règle et toi qui n'es pas à règle <laughs> hein to ata isa la la hmm. abocina minene sunanka alaikum wa alaikum assalam Mika ibrahim je suis jeune leader ok et ibrahim abdou toi tu es un jeune ambassadeur leader. entrepreneur tu es ambassadeur entrepreneur tu viens de débarquer sur la fada et tu vends aussi des articles des articles tout à fait ibrahim Hmm. Tu es en contact avec la jeunesse et tu as aussi écouté avec intérêt ce qui vient à l'instant de dire mon ami Issa. Oui, tout à fait. Est-ce que après tout ça, on peut dire que les jeunes se sont adonnés à autre chose Parce qu'il y a beaucoup d'activités qui ont été arrêtées. Les motos, les réparateurs de motos, ils n'ont pas d'activité. Les jeunes là, après, ils sont devenus quoi et En tout cas, moi. Ou bien avant toi-même, tu réparais des motos Non, non. Ok. Moi, les séjours que j'ai fait ici à Difa mhm. euh, m'ont permis vraiment de comprendre une chose. Ok par rapport à l'AGR, hmm. il faut comprendre que ici, la jeunesse, elle copie, c'est-à-dire les activités. Hmm. Pourquoi pas l'innover Il faut une innovation. À chaque fois que quelqu'un commence quelque chose, l'endroit est saturé. Il, faut, il faudrait, voilà, moi, ce que je lance, hmm. ce que je remarque, il n'y a pas une créativité nouvelle. Nous sommes dans un monde où il faut innover, il faut avoir des créativités. Mhm. Il ne faut pas toujours dire qu'à part napper, vendre des aliments, de consommables et autres là. Il faut innover autre chose. Oui, parce que les secteurs sont euh, saturés. voilà. Hmm, tout à l'heure, Il y a beaucoup de domaines d'intervention. gros hmm. Agro-business, transformation, vous voyez, service, lavage. On peut se tout ça, là, on peut se euh, retrouver. tout ça oui. Lavage des motos et autres là. Des moquettes, des entreprises. qui peut permettre aux de se moyen, oui. Merci mon ami, je reviens dans un instant à toi. Abouchina Nazo Janka. de Gaugawa. madan ma tana jiran ka moto ga tanan kai gare a kosa gara na yana fadi ya ma fada tun ya fada eh, kana gaugawa eh, kace gaugawa eh, kace to bari mu gaugawa mu kare ibi ne a hankali ka min wani abu a ina ka kai kace da tela ka ce yi apre ka canza ka fara mm. a daidaita kamar wani ijiya ka ce ka kama wani eske haka ne duk jen suke yi wanda kamar suna aiki da kuma an saida musu aiki koko suna yi su ta su yi wasu abubuwa da bai kamata ba ba duka jan ba ne mm. ba suke haka nan ka san shi mu daidaita mm. iya ne wani ya bar shi ya koma wani mm. ni gani ne ne wannan kin zan yi dan samu wani abu shi yasa na koma amma akwai wanda suka bar shi suka koma commerce mm-hmm. ko in suna wani sana'a yanzu da aka tsaye da nan mutane akwai masu gyaran moto masu sai da essence c'est le tout les jeunes. Hmm. kuma shi jeune da ake faɗi yanzu wani hmm. sai obligé da yazo yana fi wani hmm. bai yi ikwal eh? ba bai yi bane ba bai yayuwa ne ya ci wani abinci sai anan yin duk wanda aka saida musu harkan moto sun koma na fe wasu da taxi suke taxi sana va pa sai eh? suka babu wanda sun ka koma kwace kwace ko abun da bai kamata ba mu wannan kwace kwacen da kake ganin shi eh. bu mu ma san shi ba mu tare tu es un activiste on va permettre à Issa aussi de placer un mot en ce qui concerne cette question que fait l'État pour améliorer le climat des affaires pour les jeunes Surtout quand on sait qu'un volet entrepreneuriat des jeunes existe dans la politique générale du gouvernement. Et tu es un e-reporter. Oui, je suis un e-reporter. Ok. Tout à fait. Donc, par rapport à cette question, il faut comprendre que je ne dirais pas que l'État ne fait rien. Mais c'est-à-dire que les efforts sont très insuffisants. Mhm. Parce que là, nous faisons face à une jeunesse qui, dans sa plus grande majorité, n'est-ce pas, n'est pas instruite. Donc, ce qui constitue une difficulté pour euh, la recadrer à entreprendre. Bon, certes, on peut entreprendre sans pour autant étudier, mais quand tu as un certain nombre de bagages intellectuels, ça va te permettre facilement, n'est-ce pas, de, te situer euh, parlant. Donc euh, l'État ce qu'il doit faire c'est de réguler, n'est-ce pas, de la façon dont les gens sont en train d'entreprendre. C'est-à-dire il faut diversifier le secteur d'entreprise. Il faut créer des opportunités, n'est-ce pas Il faut donner des chances aux jeunes, n'est-ce pas, d'avoir des formations qui vont les permettre de faire certaines activités. Ils viennent de dire il y a l'agro-business, il y a des lavages, il y a plusieurs secteurs dans lesquels la jeunesse peut évoluer. Mais c'est-à-dire pour manque de formation, n'est-ce pas, ou d'orientation, si je peux le dire, cette jeunesse est obligée de copier ce que déjà certains sont en train de faire. Mm. C'est très important. Ça, c'est euh, l'État, par le ministère d'entrepreneuriat du jeune, qui doit le faire. Parce que là, je dirais qu'ils ne sont pas là, pour ne pas dire qu'ils sont absents. Ils ne sont pas effectivement là. Les jeunes sont laissés à eux-mêmes, n'est-ce pas Ils sont sans repère. Entrepreneurs parlant, ils sont, ils, sont, ils sont sans repère. Merci Tari. Ils vont avoir des repères très très bientôt. Une musique s'impose sur cette émission. C'est pas Rabi qui va me contredire, qui connaît déjà comment ça marche. Tout de suite et maintenant, voici donc une fusion, un featuring entre les artistes qui font de la musique urbaine ici dans cette région. Parce que le rap, la musique urbaine, c'est pas que Niamey, c'est aussi Diffa. On kiffe tout de ah. suite la suite. Locatine, locatine, locatine. lokaci ne ai kiɗi ai wa da rawa mu ba su kiɗin su su taka rawa tafiya lafiya lamarin duniya ai sai da wa kowa tuba dan wuya babu lada ka ji la ta ai ne banda tsara yin ta nike kama wanda ya gada Allah kadai za ya bani in bada in buga sauti ga hamma na kara duka yin galgali ba su da tsara hawa kiɗan babu mai ja da ni ne mu da na masu kuma aikashi ne oh ya fasa ai ya jiki ne ni nisa ta rafa wasu dandali ne tutu da nike so di ta on me le feu pour on ne kata a de parler tu sais rien faire, on s'était calé, rempli calé, et déjà calé. T'as pas le don, oui, tu as forcé, tu voulu percer, mais tu as dispersé. Je suis pas héros, pas sans zéro, je vise le sommet. Je mets en tête que je peux y arriver, Inch'Allah, de nation comme il locatine. Locatine, locatine, locatine, locatine. À l'instant, c'était les jeunes qui œuvrent dans le domaine de la musique ici au sein de DIFA qui nous ont égayés musicalement troisième et dernière partie, amis auditeurs et auditrices des 47 radios partenaires du studio Kalango. Nous sommes toujours au niveau de la radio Enfant, où se tient l'émission Tous Fada. Nous parlons de business des jeunes, de DIFA, contraintes et solutions pour améliorer le climat. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On avait annoncé en début que Olivier sera de la partie pour la chronique de l'émission Tous Fada. Nous allons donc euh, accueillir comme ça se doit, avec des ovations, mesdames et messieurs, l'artiste Olivier qui va concocter quelque chose pour nous. Olivier, dont dit la machine te souhaite la bienvenue. Chaque année, nous prenons des nouvelles résolutions, c'est-à-dire des choses que nous nous promettons de faire, des décisions comme cette année, je vais faire beaucoup de sport cette année, je vais manger moins de viande ou encore cette année, je vais lire beaucoup de livres. Chers amis de la FADA, amis auditrices, bonsoir. La plupart de ces résolutions, nous les prenons parce que nous en avons envie. Cependant, il est fréquent de voir que ce n'est pas une chose facile de respecter ces engagements. Ces engagements que nous avons pris envers nous-mêmes sans que personne ne nous mette une pression quelconque. Et pourtant, au bout de quelques jours ou encore quelques mois, nous abandonnons ces belles résolutions et au fur et à mesure que les jours passent, nous reprenons les mauvaises habitudes. Et les nouvelles résolutions ne deviennent que des promesses non tenues envers soi-même. Amis auditeurs et auditrices, chers amis de la FADA, est-ce nécessaire de prendre des engagements que l'on ne peut pas respecter Est-ce essentiel de se promettre des cadeaux et ne pas leur offrir La réponse, je vous la laisse. Mais moi, dans la chronique de ce soir, je vais vous recommander trois choses qui vous aideront à tenir les promesses que vous vous faites. D'abord, promettez-vous des actions réalistes. Par exemple, pour la lecture, commencez par lire des articles de blog avant de passer à des livres de 300 pages, par exemple. Ensuite, planifiez vos promesses, c'est-à-dire que si vous vous êtes promis de faire euh, plus de sport euh, cette année 2022, alors fixez-vous un jour et une heure précise dans la semaine qui vous permettra de faire des exercices physiques. Par exemple, cette année, j'irai chaque samedi à partir de 15h au sport. Ça, c'est une belle promesse. Enfin, toute nouvelle résolution nécessite un suivi régulier. C'est tout pour la chronique de ce soir. Et moi, je vous promets cette année 2022 des chroniques toutefois succulente, toutefois merveilleuse, comme toujours. Que Dieu nous inspire. Paix, lumière, amour sur vous. Cher amis de Difa, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. À l'instant, testé Olivier. C'était la chronique de l'émission Tous à la une émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Il nous a parlé de tout ce qui se passe sur la toile. Nous sommes à la fin. Nous cherchons des solutions, des perspectives. Mais c'est de cela qu'il s'agit aussi. Issa, Aïtonudo, Aïmina Hassan mhm. Il faut de nous mhm. pour que jeunes pas business Il faut de kum kande dini no de tonandi kala il faut mission go parce que go wallahi to muna jinka dini irmu fonda keke mm. kan gaji na so ga kisne to am kinise kese kese matakan iga Bor kan gonda problem a donu ni ga koi gina ni fam dai sanno il faut réunir la jeunesse la masalan dai ils sont nombreux mi margu ima ka ima salan dai kul mu ci ko ina bon je te dis quelque chose ai kini la richesse nigérien jama go no mi c'est la jeunesse et puis irma sabu irko kan irwo irko nirno jeunesse albarkanti danga kutinu dinga izai ku kuto nuba kuti da kendi o oh, izo gigana da kan gotara ize kul gota fu ko gotara iru hankan borgine te kwa mm. ir gigana deno hankan irgin ware ise hay fo hanno son bor kul temu di fandanin ifandanin deno mais wallahi ne go kini sinima mm. niger ra difa ele a 1000 et quelques kilomètres de nyami han fonir évoluer di ka di dire nous sommes en retard c'est normal parce que irga mor kapitaru han fonir te mo aini ni c'est les motards là les jeunes veulent voir les motards imungu ba di mungi da baram di motards president ka jama gaba imadiya ima kamba samba se imandu amandu gati pourquoi l'insécurité hmm. Et le gros problème, je te dis, c'est quoi hmm. Si on n'a pas un boulot, il faut qu'on gagne gadou haifo. Masal kul gagne gaka.

pour qu'ils puissent dire. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça euh, euh, Mon avis, moi, je, lance un appel à l'endroit de cette même jeunesse. Mhm. Euh, de la jeunesse. De oh, la jeunesse de Difa. Oui. La jeunesse de Difa, parce que la jeunesse est une victoire. Hmm. Nous sommes à 70%, si je ne me trompe pas, presque, hein, de la jeunesse au plan national, c'est-à-dire nigérien. Donc, la jeunesse doit s'activer. Et par rapport aux contraintes, c'est vrai, à contrainte, on dirait toujours c'est l'insécurité, oui. L'insécurité, si l'insécurité nous empêche d'entreprendre, que ce soit la pêche, l'agriculture, il faut trouver d'autres solutions. solutions. Cette solution, c'est quoi mhm. Comme j'ai toujours à le dire, sur les métiers d'héritage où ton rêve n'existe pas, il faut, il faut créer les... Bon, merci. Pas de sous métiers Merci, À mon ami, pour ses propos. Abotina shaf shaf za mu yi bakar matsala ta madam tana jiran ka na kawo zancen kuma Ne to shikenan kun moto ga tana na gare kun mm. rana yana nan fadi yanzu za ta da contract ware ku magana ka nake so dan mu samu solution ni ne ka kai na yi kai probe eh, au nom de tout ce qui conduit kabu kabu dan ku mun babu kabu kaban ka ce babu rayuwa gaskiya ni yanzu abin da nake so da mabi legion da difa wanda suke conduit din kabu kabu wannan mm. ina so ka gane ko a samu musu lokaci To. a bar su sai aikin su har zuwa dare eh a'a mm. akwai insecurity lokaci da aka ce hmm. yanzu wata ran akwai lokacin da kake so kai aiki hmm. in kai aiki da setar ko da sizar a 21 kana iya kai gari mutum ka sai bon amma wata ran polisai na cikin gari za su hana ka kai circulation ka je ka nemi abincin eh? siltaple yanzu combien de jours aka tsaye da moto yanzu mutum in shi kaɗai ne aikinka waye zai rike turwa jours aka rike motan ka a komisariya turwa jours bai kai sirkilan shi bayan hannu ba ba ku wani abu ba a ce ba yi da bajin ku dan ba ku ba ku ba ma wani ba yanzu kai in za ka yi wani abu ba sai ka shawara ba <laughs> eh eski yanzu le vendredi eh amma mutane shawara aka kama mashin haka nan aka ce kawai ku wani ne aka ce maka ka tsaya <laughs> kama ka zuwa aka zo akai kawai kana za ka kai birki a kama aka kai ba ma abartir kunku ba ka ji ne waye aka yi abartar an yi abartar kan ku a gidan radio ne ah, ah. Eh, ka ji ni yanzu haka an maka shi mm. an zo an kama ka an ji an mm. aje ka an mm. aje motan ka ko haka akai haka akai haka ni ne ka ko yanzu za mu tafi police station a'a <laughs> eh? ah, kai ba mu tafi abokin yawa ka ji ko tirren vendredi sai yau to kuma yanzu in haka akai in kana da papier complet me ya kamata ma tunda an ce ma saboda wannan abin ne aka yi shigo a baka kilan ka a ce ka je ka ɗauki motan ka eh? ka ta an ka ce a baka motan ka an ce maka ka tumli fara kuma s'il te plaît ka hudu aka ce ma kwanan ka hudu baka yi aiki ba abocin ina zaka same shi na ji ka bani tausayi kakka bani kuka biskan ga emission ji ko eh. ka sa nan ga tare nous sommes à la fin de l'émission d'accord quelles sont vos attentes vis à -vis de l'État et ses partenaires afin d'atténuer votre souffrance et reprendre les affaires comme vous le souhaitez alors, moi, je dirais que l'État doit redoubler d'efforts déjà par rapport à ce qu'il est en train de faire. Si aujourd'hui nous sommes toujours là, euh, c'est parce que les solutions qu'il a proposées n'ont pas marché. Donc maintenant, à travers les partenaires, il faut que cette jeunesse soit canalisée, il faut qu'elle soit occupée, euh, il faut créer des opportunités d'entreprise, il faut les former, leur donner des outils ou des connaissances, si je peux le dire, qui peuvent leur permettre d'entreprendre. C'est très important parce que on fait face à une jeunesse à plus de 50% non fruit qui n'a pas été éduquée. Donc, la jeunesse, tout ce qu'elle sait faire auparavant, avant l'avènement de cette insécurité-là, c'est les taxis motos, la vente de l'essence, la culture de poivrons et la pêche. Maintenant, toutes ces activités-là sont interdites à plus de 90%. Donc, maintenant, si la jeunesse est toujours sans occupation, c'est qu'elle est incapable de chercher elle-même des solutions. Donc l'État, en tant que responsable, doit tout faire pour créer des conditions, n'est-ce pas, pour que ce jeune soit encadré et soit occupé de façon professionnelle. Merci Taré. Ainsi donc euh, prend fin cette émission consacrée non seulement à la jeunesse de Difa, mais aussi à la jeunesse du Niger. C'était la machine et les humains.